Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à Maradi, plus précisément lycée Corée de Maradi. très, très, très, très, très, très, très grande école. Au micro, ici, à Garba et la technique est assurée par Abdelkader Tiambiano. Ce soir, de la FADA, nous allons parler de comment améliorer la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école ici à Maradi. Dans un article publié par le site euh, nigérien, Niamey et les deux jours euh, relèvent un faible taux de 29% des filles scolarisées au Niger, une disparité constatée aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. La population rurale représente 85% de la population au total du Niger et ne compte que 15% des filles scolarisées. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant Parce que Pour le maintien de la fille dans sa scolarité au Niger, le gouvernement a initié la création des internats pour les filles. D'abord, euh, l'INA a été créée à Tchélé, dans la région des Anders, euh, selon plusieurs sources. Et aussi, cette école marche très bien, ça va très bien l'internat. Ça encourage beaucoup le maintien de la jeune fille à l'école. Et plusieurs aussi sont en cours dans plusieurs localités également au Niger le chef de l'État euh, nigérien Mohamed Bazoum, qui a d'ailleurs enseigné ici et la philosophie de l'école Amadou d'Ambascore. D'Ambascore, on dit, non, c'est pas lycée d'Ambascore. Voilà, lycée d'Ambascore qui a enseigné ici la philosophie. Euh, donc, ça veut dire que nous sommes vraiment dans une grande école, comme je l'ai dit, avec des élèves, des enseignants. Euh, le professeur même est à la FADA aujourd'hui. Nous allons voir comment ça se passe. Lors euh, de la rencontre, je disais, le mercredi 21 septembre à New York, en marge de 77e session, le président de la République, Bazou Mohamed, a sollicité l'aide des partenaires pour un financement, le construction d'autres internats pour les jeunes filles rurales au Niger. Un geste qui traduit la volonté des plus hautes autorités de maintenir vraiment la jeune fille à l'école. Avec euh, les jeunes de la FADA ici, nous allons voir euh, comment ça se passe. D'abord, euh, nous ferons la citation de la scolarisation. Qu'est-ce qui bloque sa scolarisation Quelles sont les actions menées Comment encourager la jeune fille de Maradi à aller à l'école Eh bien, eh, les amis, toutes ces réponses de la FADA. Et aussi, vous savez, la FADA, c'est 35 minutes rubrique Chronique, musique, échange, réseautage et tout, tout, tout. tout. Euh, Fourbatora, je vais commencer avec vous, monsieur le proviseur. Monsieur le proviseur, vous allez vous présenter d'abord après et euh, vous allez nous dire euh, quelle est vraiment la situation de la scolarisation de la jeune fille ici, au lycée d'Ambascore. Je m'appelle Mani Maman, je suis proviseur du lycée d'Ambascore. C'est vrai, à Maradi, beaucoup d'aspects empêchent la jeune fille d'aller à l'école ou de prolonger sa scolarité. Et cela est dû non seulement à la pauvreté des parents de foi qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins intégral de ces filles-là. Et deuxièmement, il y a les préjugés sociaux euh, liés à la tradition qui ne permettent pas à la jeune fille d'aller loin de ses études. Tantôt, elle les marie très jeunes, tantôt, ils abandonnent par précarité et par euh, problèmes liés aux besoins. Mais aujourd'hui, euh, nous avons compris que rien que au plus haut sommet de l'État, euh, il y a un souci qui anime euh, le gouvernement à pouvoir maintenir ces jeunes filles à l'école à travers la création des écoles, des établissements internats. C'est là vraiment c'est un ouf et que en dehors même de ça, nous avons compris ces dernières années toutes les inscriptions que nous avons, l'effectif des filles dépasse largement celui des garçons. Et qu'est-ce qui explique ça maintenant Cela s'explique par le fait que les parents ont compris que la scolarisation de la jeune fille, c'est vraiment une euh, réussite sociale parce que la fille, une fois atteint un certain seuil, elle peut mieux aider les parents qu'un garçon qui réussit. Vraiment. D'accord. maintenant, je vais Garba Classe Fonongo. Terminal TD. Terminal TD. Terminal D non go Maintenant, c'est quand à l'école, quand tu terminal, ils m'ont fait l'école. Bon, c'est ah, à cause de ma mère et de mon père quoi, que je suis à l'école jusqu'à présent. Euh, Puisqu'elle me mhm. soutient. Mhm. Et puis, voilà pourquoi elle me soutient. Parce qu'elle a été à l'école, et puis elle enseigne. Et puis, mon papa était à l'école. Donc, euh, il me soutient à 100% pour que je réussisse. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce qui explique le fait qu'il eh, y en a aussi qui, qui nous poursuivent C'est parce que leurs parents n'ont jamais été à l'école. Puisque si vraiment ils étaient à l'école, Sinon, Ngaïmbo a dit école. Il allait faire la même chose que Haïkan Aïparango ici, quoi. Ok, je reviens, je donne la parole au garçon d'abord avant de, de, revenir à vous. Euh, prenez le micro, Sambou Micro. Sambou. Explique-nous euh, vraiment euh, la situation de la scolarisation de la jeune fille ici à Maradi. Maintenant, Morado Goda, il y a le col, il y a le fatano, il y a le conteneur, il y a le gendino, il y a maintenant gote Maradi, le col fondara. Sauf à Binar, le col au carrière, euh, lycée d'Ambascore. Et donc euh, voilà, euh, merci beaucoup. Moi, c'est Ibrahim Babaraj Aboubakar. Je suis élève euh, en terminale C. Si la fille n'est pas bien éduquée, en tout cas, son produit, la qualité de son produit sera compromis. Quand je dis la qualité de son produit, c'est-à-dire c'est qu'elle va enfanter. Ok, tu viens de me dire que tu es en terminale C. Il y a combien de filles dans votre classe Il n'y a que hmm quatre filles. Il n'y a que quatre. Vous êtes combien Nous sommes 14 dans la classe. Donc quatre filles. Donc quatre filles. Ok. Je crois bien. Et voici l'une des filles au milieu. Machallah, ça c'est très bien ça. Aja, euh, présentez-vous d'abord. Je me nomme de Ashur Alassane Malika en classe de terminal. Terminal. C. Terminale C, c'est pas caché, il faut dire terminal C. Et pourquoi vous avez choisi vraiment euh, de faire terminale C C'est mon objectif de faire la terminale C parce que j'ai des grands rêves dans la vie. Mon rêve c'est que le Niger devient indépendant. Ok par rapport à l'énergie électrique. D'accord. Qu'elle t'accompagne. Ah ah, c'est tout ce qu'on peut dire. Et maintenant, euh, dites-nous pourquoi tu as gardé l'ambition jusqu'à maintenant, arriver en classe de terminale. Tu n'as pas connu des obstacles en cours de route, voilà. Si à un moment, je n'étais plus motivée. Pourquoi euh, Parce qu'à un certain moment, arrivé en classe de seconde, les professeurs ne nous ne nous enseignaient pas vraiment. Il y avait beaucoup de grèves et cela m'affectait vraiment. Ok. Maintenant, euh, quelle est la contribution des parents euh, dans ça Sincèrement, mes parents m'aident vraiment. En quoi faisant Parce que je me dispense des travaux, des, travaux ménagers. J'ai beaucoup de manuels, tellement que j'ai beaucoup de manuels, je n'ai même pas le temps de tout les <laughs> vérifier. Elle me paie les cours privés. Presque tout ce que j'ai besoin, elle me donne ça. quoi Comment tu vois les autres filles avec qui vous avez commencé l'école aujourd'hui, qui, ont abandonné certainement il y en a euh, quelques-unes Sincèrement, depuis mon parcours scolaire, il n'y a que deux filles qui ont abandonné. Ok, et pourquoi elles ont abandonné la première, elle a redoublé deux fois en classe de quatrième. Ses parents sont pauvres, donc elle n'a pas pu continuer ses études. L'une en classe de troisième, elle a essayé trois fois. Ensuite, elle s'est mariée. Maintenant, elle est mère. Elle est mère. Oui. Ok. C'est bien. Alors, applaudissez pour euh, euh, Malika. Oh, voilà. Euh, chef, il paraît que c'est vraiment les garçons qui empêchent les filles d'aller loin dans leurs études. D'abord, à Sintingi Sapeg, Bisenganiga, Gaïmane, Nigbarahi, Gese. Parang et Sind Bada la Matkan Provision qui sont dans Imbora, Sam Imbora, Yandi. Yadi no Almatia de Nebora. Et de femme et de femme. ibrahim to assalamu alaikum wa salam to irga sabu dai studio kalangu borai se ka hunkuni ka lise dan boskore igo ha dai hankan gingu wai borai zagan jamu chau alfaga ni anu masima imine ha waina argusunogu bore borese ganja mo chaw niano on est bien d'accord avec ça ok donc un garçon il fait ses avances wala ba ni bora ga ifonda bon an wo kanga baina kanga fun aga bai education kan cina fu borai ni gano kenan mhm. in ga ya ga bai dai kan hari kan si boriwo isate din na temo fu borai gano ne kan da hawi voilà on dit l'enfant est l'image de sa famille donc il incombe à ce que quand la fille sort qu'elle sait on dit quand tu ne sais pas d'où tu viens tu ne, tu ne pas là où tu vas ou bien quelque chose du genre comme ça mhm. donc c'est un peu ça le souci ok d'accord mana euh, je reviens à vous. Samuni matakan e Michi ma miya Mia Sunana Zainab, to. Zainab mi. Zainab. Zainab. Mutari Sambo. Zainab Mutari Sambo. Zainab, eh, miya sa eh, da yawanci eh, mata ba su zuwa nesa a lokal. Surtout mm. a Maradi. Surtout a Maradi. Zan kai e ni foyi yi ni yandi. So, kamar wani abu ne da an rakwai shi yanzu da da can uwaye ba su san shi ba. kamar kudin kojes wannan da ake badawa da wani kudin mai gadi a ce sai an kawo da charge dai da sayan furniture da mi duka a recall premier sai a ce sai an kawo kudin mai gadi wani bidetan sai an kawo kudi a to irin wannan uwaye suna ga an sha musu kai da yawa haka kuma uba da yake so ya ci da iyali abinci ma ana nema a samu a ka abincin da yara za su ci kuma lakwal an damu uwaye su kawo su kawo ina ga shine yake sa kamar wasu uwayen sai ce to kawai ma ku yi zaman kuma lakwalkin dole ne ba sai an yi ba ok ni haka ne nake gani Amis jeunes de la FADA, avant de poursuivre notre émission, on va écouter la rubrique rose et après on se retrouve Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou les filles, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager des bons plans dans la rubrique rose à retrouver chaque week-end dans Tous à la Fada et aussi sur notre site internet. Ce soir dans l'espace santé et bien-être, nous allons continuer à découvrir des astuces pour soulager les crampes. Et dans l'espace astuces beauté, la carotte encore et toujours pour les astuces qui vont vous embellir la peau, les cheveux et tout le corps. Astuce anti-crampe numéro 4. Manger des bananes. Ce fruit est riche en fer et en cuivre, indispensable à la fixation de l'oxygène par les globules rouges. L'ordonnance est une banane plusieurs fois par semaine en période d'effort. En même temps, pensez à diminuer drastiquement le café qui augmente les crampes. Astuce numéro 5, c'est réchauffer. La chaleur détend les muscles. Offrez-vous des douches chaudes. Vous pouvez aussi appliquer des patchs ou des compresses chauffantes. La nuit, la température interne chute et l'immobilité réduit le débit de la circulation sanguine. En cas de crampes nocturnes, surélevez les pieds du lit pour relancer la circulation sanguine vers le cœur et veillez à être suffisamment couverte. Astuce numéro 6. Avant une journée marathon, massez le point grande montagne située sur la partie haute du muscle du mollet à mi-chemin entre le pli du genou et le talon. Si les crampes se situent sur une autre muscle, appuyez sur le point le plus douloureux pendant 20 secondes et relâchez. La pression précipite l'afflux du sang salvateur. Et ça sera tout pour l'espace beauté de ce dimanche. Rebonsoir les filles, c'est Ruki qui revient dans l'espace astuce beauté. Nous allons continuer avec la carotte et c'est bien fait. Alors comment faire le gommage de carotte Dans un bol, mélangez les carottes écrasées, le jus de 2 cuillères à soupe de crème fraîche jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez le soin obtenu sur le visage et sur tout le corps. Laissez poser 15 minutes et rincez ensuite votre peau à l'eau tiède. Donc, quand vous aurez rincez votre peau, vous aurez une mine fraîche et une peau de bébé. Comment faire une lotion à base de carotte Sublimez votre peau avec une lotion à la carotte. Il vous faut 100 ml d'hydrolat de carotte, 50 ml d'huile de carotte. Dans un bol, ajoutez un à un tous les ingrédients mélangés bien avec un fouet ou une fourchette pour que votre lotion soit bien homogène. Versez votre préparation dans un flacon vaporisateur bien propre et fermez bien, donc à utiliser à volonté. Comment faire de l'huile de carotte L'huile de carotte est une huile qui possède des propriétés bénéfiques pour la peau et pour les cheveux. Elle est obtenue après macération des racines de carotte dans une huile neutre comme l'huile d'olive. Pour la fabriquer, vous aurez besoin de deux ou trois carottes et de l'huile d'olive. Râpez les carottes dans un bol, laissez les carottes sécher pendant quelques minutes afin d'éviter la moisissure. Les carottes étant sèches, Prenez quatre cuillères et mettez-les dans un autre bol. Dans ce bol, ajoutez suffisamment de l'huile d'olive puis laissez reposer pendant 24 heures à l'abri de la lumière. Après 24 heures, essorez le mélange huile d'olive plus carotte râpée à l'aide d'une passoire. Votre huile est prête vous pouvez mélanger l'huile de carotte obtenue avec votre lait de toilette et c'est parti pour une belle peau. C'est ici que prend fin les amis la rubrique rose de ce dimanche, rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres astuces qui vont faire briller votre peau et votre bien-être. Oh, I hate being this way. Learned it from such a young age. My needs and wants ain't important anyway. When you say something's wrong, I just wanna make it better. Oh, but I've realized that you just wanted me to listen. But listen when I see you cry. I can't stand what I feel inside. Oh, I just wanna fix you. Guess I'm what they call a people Eh, c'était là la rubrique rose proposée par les filles du studio Kalangou. Non, non, regarde le micro. J'aimerais que tu me parles maintenant de tes amis avec qui vous avez commencé l'école, qui ne sont pas à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles deviennent Salam alaikum. Sunana Faridat. Bon, ni dai tun da muka ware école tun école primaire har zawa yanzu. Babu cikin abokanina wanda ba su école. Har yanzu suna école tun da duka uwaye mu intellectual ne. suna aiki kuma click in mutum da muka taso fi babu wanda baban shi bai aiki ko gidansu ke da wani matsala wani abu duka an san darajar karatu kuma ya zanta ana zawa equal ana tambayawa muna shiga kurba mu shiga muna zawa ba mu zawa ana sai mana duka lai wanda ya kamata komi fi da ba sai mun tsaya equal ba daga gida ake ba mu to a haka nan mi zai hana yaro ya karatu in dai yana da niyya da an ga mutum bai karatu to bai da niyya ne so nawa mutum gidansu in yana da zuciya yana da amur in iya ciri in gidansu ba a matsa mishi ba san darajar karatu yake forsan shi ya karatu ana ga lahin uwaye dunfar hada lahin elef sincèrement ok d'accord merci beaucoup c'est très bien expliqué je reviens à toi Aja, est-ce que maintenant Nima Mon nom est Asma Abdoulaye Leïsavo. Asma Abdoulaye, euh, j'aimerais savoir si aussi tes amis avec euh, lesquelles vous avez commencé l'école aujourd'hui, il y en a qui ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qu'elles deviennent ces filles-là Oui, il y en a. akwai hein? hmm. sont pas wasu sun yi aure sun fasa ekol suna gidan mijinsu wasu kuma muna tare su ma daga an zo hakan an samu birbe an yi aure shikenan an fasa karatu qu'est-ce qui fait que elle abandonne l'école chap chap quoi mieux ça pourquoi hmm, aure comment lokaci gare shi tu suna yin aure wani miji shi ke hana shi karatu akwai wanda kuma suna yin rajejeniya da mazajen su ce musu in sun yi aure za su yi da karatunsu su su ce musu ok sun yarda mai daga an yi auren shi kenan sai su ce buwasi buwala ba ka yin aiki da kyau kana ta yi a ekol ba ka yi musu da yaka abin da suke bukata sai su ce a wasa ekol kuma a musulunce dole abin da mijinka ya ce ka yi shi kake yi in kuma ka ce ba ka yi uwayenka dole sai sun sa baki sun ce dole sai ka bi abin da yake so yanzu ke mine ne burinki burina mm. ina so yin karatu mai zuri mhm. sosai saboda ina so in zama magistra in bai samu ba sajban maître <laughs> votre honneur <laughs> monsieur le proviseur Euh, je reviens à vous maintenant. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi le secret de votre lycée pour qu'aujourd'hui on constate qu'il y a autant de filles que de garçons dans les classes et il y en a aussi euh, des filles en terminale C, quelque chose qui n'est pas facile à Niamey jusqu'à avoir quatre filles dans une classe de terminale C. Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi le secret des lycées euh, de Maradi Merci, euh, Studio Kalangou, de nous avoir tendu ce micro. Eh, le LDB, son secret n'est rien d'autre que la carrière et le souci qui anime ces filles-là. Parce que eh, aujourd'hui, il y a éveil de conscience, non seulement au niveau des parents, mais au niveau des enfants, qui ont compris que aller à l'école, c'est d'abord gage de réussite sociale parce que ceux qui ne sont pas partis, on les voit dans la rue, traîner dans la misère et la précarité. Maintenant, personne ne veut souhaiter être dans ces conditions-là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez presque dans toutes nos classes, vous allez voir, même en termes de travail, le premier rang est occupé par les filles. Par les filles. Ok. Et nous avons en classe de terminale, en terminale A comme en classe terminale D, ces élèves-là, ils fournissent assez d'efforts, ce qui est clair nous avons euh, toute la garantie que ces enfants-là vont relever le défi. Vraiment, c'est sur quoi nous pensons. Mais vous êtes passé par quel chemin pour arriver Le chemin n'est rien d'autre que la conscientisation des parents et surtout des enfants qui ont l'idée d'une nette concurrence puisqu'ils ont vu leur aîné aller de l'avant et certains qui traînent la misère dans la rue, ils ne veulent pas, ne veulent pas tomber dans ces conditions-là. Voilà pourquoi le souci euh, qui les anime est celui d'aller de l'avant et de réussir socialement. Et la seule euh, voie n'est rien d'autre que la voie de réussite à l'école. Voilà. Qui n'a pas parlé Eh, ni Mansala. Samomikara. Mais eh, je suis en classe de la terminale A 1 pourquoi en terminale A parce que depuis la troisième cette merde matière la physique chimie m'énerve beaucoup <laughs> Merde matière physique chimie m'énerve beaucoup ok dans ce cas-ci, tu as préféré mm -hmm, mm -hmm. ok et maintenant, qu'est-ce qui qu'est-ce Mais qui est-ce qui amené à hein? Moi, mon rêve, depuis l'enfance, j'aimerais devenir un juriste. Juriste Oui, oui. Ok. Madame le juge. Alors, euh, quel conseil as-tu à donner aux jeunes filles qui abandonnent l'école avant la terminale oh. On t'écoute après, je vais écouter la musique et on revient pour euh, euh, essayer de conclure. Justement, celui qui n'a pas parlé, prends le micro, présente-toi. Euh, moi, c'est Ousmane Kabir Ousmane. Ousmane Kabir Ousmane, parle-nous aujourd'hui de tes relations avec les jeunes filles euh, ici euh, au lycée d'Ambascore. Est-ce que ton comportement encourage les filles à venir à l'école ou bien c'est un cali Oh, moi, <laughs> cette question m'a bloqué en fait. Ah, ah, c'est comme ça. Moi, je ne fais que des relations avec les filles de notre classe, pas les filles et les relations ça se compte sur les études seulement. Ok. faire Moi, ce qui me plaît auprès des comportements des filles de notre classe, c'est mm. qu'elles veulent follement et fortement étudier. D'accord. Ils ne veulent que étudier, n'ont aucun programme de leur vie qui étudie. Donc, ça, c'est un point envisageant, quoi. Et toi, tu les encourages à étudier ou bien euh, quand tu viens, c'est distraction time Ah, mais. <laughs> mais quand la masse part pour les côtés positifs, toi tu vas pas partir le côté négatif. Ah, ok. On se comporte comme elle veut, comme elle veut plutôt. La majorité, pas même la majorité, les élèves de la C tu vas les trouver, c'est pas parce que je suis en série C en fait, en série scientifique. Les élèves de la série C, à cause de leur euh, sous-nombrement, à chaque moment que tu partes dans les classes des, des scientifiques, surtout la première C et la terminale C, tu constateras toujours que les élèves sont calmes, assis et, chacun fait quelque chose qui est avantageant. Donc dans ce cas, on, échange, on, échange, on, des idées comme... les autres savent faire quelque chose plus que toi tu vas partir envers eux pour que tu apprennes du mieux. maintenant, euh, dites-nous un peu quoi, tu n'as à faire non pas? c'est euh, Dans votre classe, qui c'est qui, qui qui a la tête C'est les filles bien c'est les garçons hmm. C'est ces non Bon. Elles sont pas nombreuses, elles n'aiment que parler et étudier. Mais personne n'est parfait. Oui, je sais, on ne parle pas d'être parfait. Oui, on ne parle pas d'être parfait. Prenons nous C'est qui, qui, qui, qui la première ah, c'est pas qui la première. Dans ce cas, on va pas rester, euh, laisser les filles euh, euh, devenir les premiers de notre ah, classe. Ah, okay. Même religieusement, on avait dit Arja le Kawamouna Comment ça nous allons faire renverser Ah, c'est pas une première. Ah, c'est un premier. C'est un premier. on ah, va pas laisser les femmes en fait. <laughs> Ah d'accord, Bakureda. Ah bah merde. Euh, oui, euh, Basoureda, on va écouter Bataï Saïdamou, ça ne va pas vraiment passer sans les filles. Bataï Saïdamou de Barakina. Keza kichechemu, keza kichemusu, bazani chucheki shagali, shagali dali, da keza mushan shagali. Company, company kamshi, zani keki kishan shagali. Bar su baby. kowa na da aikinsa lokaci lokaci ya kai kuma alkawali ya cika komi bata yi sai da ni bata yi sai da ni kuma bata nisa da ni bata nisa da ni ita bata shi sai da ni bata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni bata yi sai da ni sai da ni sai da ni sarki bata yi sai da ni komi bata yi sai da ni kuma bata ta nisa da ni kan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi lokaci ya kai kuma alkawali ya cika Euh, voilà, et puis on, on se retrouve à la FADA. Ouais, Bataï Sedamou. C'était là à Barakina et après euh, on est là euh, au niveau des lycées d'Ambascore, de Maradi avec les filles, les garçons, le proviseur pour parler euh, de la scolarisation de la jeune fille. Comment est-ce qu'il faut faire pour maintenir les filles de Maradi à l'école C'est de ça qu'on est en train de parler. monsieur le proviseur, on vient à vous pour avant de clôturer. On a écouté ce que vous avez fait pour arriver ici. Qu'est-ce que vous comptez encore faire pour la jeune fille Prenez le micro <laughs> pour la réussite de la jeune fille à l'école. Voilà. notre souci est partagé. Nous allons toujours continuer à plaider et euh, à sensibiliser non seulement euh, les parents, mais aussi euh, l'État à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de maintenir les jeunes filles à l'école et aussi le maintien de leur scolarité. Qu'est-ce que vous appelez les dispositions Les dispositions, c'est d'abord les sécuriser du point de vue euh, précarité, parce que certaines abandonnent l'école malgré elles. Mais quand elles sont sécurisées du point de vue moyen, là, elles peuvent aller. Et c'est pourquoi, avec euh, l'initiative euh, du président de la République qui consistait à créer des internats, ce qui est clair, un jour à Maradi, le nombre de filles que nous avons, c'est que nous aurons un établissement internat où les filles vont continuer à étudier à l'aise et dans les conditions les mieux euh, garanties. Merci beaucoup, euh, monsieur le proviseur. Euh, je reviens à, toi. Vous d'abord, après on va écouter et leur propre cri de cœur. Chef, menene ya kamata a yi dan 'yan mata euh, su à l'école pour qu'elle continue pour qu'elles soient vraiment maintenues à l'école Je vais euh, ta réponse à Hausa. Bon, selon moi, c'est de construire des écoles un peu partout, mm. surtout, surtout dans les villages, pour mettre aux filles euh, d'avoir accès aux études et de sensibiliser les parents, les parents de la jeune fille, les parents de la jeune fille à leur accès à l'école alléger les tâches domestiques et sensibiliser encore les enseignants de la promotion de la jeune fille. D'accord. Oui. Sensibiliser les enseignants à faire la promotion de la jeune fille. Oui, c'est pas, un problème. Oui. <laughs> <laughs> Prends le micro. Ibrahim. Maintenant, eh, j'aimerais savoir, Ibrahim, oui. qu'est-ce que toi personnellement, tu es en train de faire pour encourager le maintien de tes camarades filles à l'école voilà, donc la question, on va prendre ça dans un cas général, pas pour ma situation personnelle. Et donc moi, la question là va me rappeler, hein? en tout cas, un livre où j'ai lu, euh, on parle de Seine Kounché, là, comment il a fait sa gérance. C'est lui qui dit que les Nigériens là, si c'est pas la dictature, ça ne marche pas avec eux. Et donc, si on prend les filles, les jeunes filles qui ne sont pas, en tout cas, à l'école, fort malheureusement, la plupart des, si on prend sur 100, 75 ou 80% des filles qui ne sont pas à l'école, c'est de gré. C'est aller à la maison même, on ne les laisse pas, surtout quand on, met l'accent sur la région du Maradi. Donc, euh, moi, personnellement, ici à Maradi, j'ai une grande soeur, elle est enseignante dans une école primaire de vers dans les quartiers pacifiques. Là. Elle me dit qu'il y a une fille dans sa classe, c'est sa maman même qui s'est déplacée pour venir la voir, pour lui dire mhm. puisque vraiment c'est avec cette fille elle arrive à trouver de quoi mettre sur la dent en fait c'est la fille qui part c'est la fille qui part au marché vendre de, de je ne sais quoi dans les soirées eh, la femme lui a dit que vraiment, de lui, en tout cas, de lui accorder toutes les soirées, durant toute l'année scolaire. La fille, elle, elle ne vient que dans les journées et non dans les soirées. Et donc, vous voyez ça, le problème, on peut lier ça, n'est-ce pas, au désengagement des parents oui à la pauvreté. Mais c'est la pauvreté, puisque compte tenu du fait que n'est-ce pas, le Niger, bon, on dit que le Niger, trois points de suspension, je n'ai pas besoin de parler sur ça. C'est bon. Voilà, euh, je donne le micro à celle-là, elle va nous proposer des solutions. Après, et euh, voilà, on va fermer l'émission pour euh, encore commencer autre, pour parler des téléphones portables qui traînent dans nos sacs un peu partout, qui nous empêchent d'étudier, qui nous empêchent de nous <laughs> concentrer à la FADA. Alors, parle-nous, Aja. Aja, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la fille elle reste à l'école, quel soit en Hausa, en Zarma, en chose, mais pas en Mogobirien. On y va. Qu'est-ce qu'il faut faire Mia Kamata dans ce hommes à l'école. Mia Sunanki d'abord. Je m'appelle Yasmina. Okay. Et ce qui a lieu de faire que. Qu'est-ce qu'il y a à barre Kamara Solution, quoi? Oui, solution. Ciao. shine dai uwaye C'est ça, su bar à ramata, si yi karatu ça, samu souma ma su zama wani Ça saboda tarbiyyar euh, éduquer une femme c'est éduquer toute une nation par les citations de James Emmanuel, euh, James Emmanuel gère euh, euh, à Agrey, qui est un fonctionnel et qui est un intellectuel et missionnaire ghanéen. il contribue au développement de l'éducation des enfants, qui disent que une femme, c'est éduquer toute une nation, parce que c'est elle qui est la mère de toute la société, et puis elle a droit à une éducation et à un respect. Et vraiment, elle doit étudier. Et puis les parents aussi doivent donner des, des opportunités pour que les filles n'aient qu'à étudier et avoir... Euh, euh, avoir accompli leurs rêves par exemple. Voilà, avoir accompli leurs rêves. Voilà, et... Amis jeunes de la FADA, bonjour. Ce dimanche 11 juin 2023, nous allons poursuivre notre sujet d'hier qu'est la patience. Eh bien, tout en prenant la patience comme outil de travail. La patience est un outil essentiel pour atteindre le succès dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans notre carrière, nos relations personnelles ou nos projets personnels. La patience nous permet de persévérer et de surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin. Les réussites les plus gratifiantes nécessitent souvent des années d'efforts soutenus. En cultivant la patience, nous évitons les raccourcis et les compromis hâtifs qui pourraient euh, compromettre nos objectifs à long terme, bien sûr. Ils nous aident à maintenir notre motivation et notre détermination, même lorsque les résultats tardent à venir, mes chers amis. Voici quelques points supplémentaires pour mieux comprendre l'importance de la patience. Premièrement, la gestion du temps. La patience nous aide à gérer notre temps de manière plus efficace. Elle nous empêche de nous précipiter dans nos décisions ou de vouloir obtenir des résultats immédiats. Au lieu de cela, elle nous pousse à prendre le temps nécessaire pour réfléchir, planifier et agir de manière stratégique. En prenant le temps de faire les choses correctement, nous augmentons nos chances de succès à long terme. Résolution de problèmes, mes chers amis. Et voilà aussi un autre point très intéressant. La patience favorise une réflexion plus profonde et une recherche de solutions créatives, plutôt que de se laisser submerger par la frustration ou l'impatience. Une personne patiente est capable de considérer des différentes perspectives, d'exploiter différentes options et d'élaborer des stratégies efficaces pour résoudre les problèmes qui se posent. La patience nous permet d'aborder euh, les défis avec calme et clarté d'esprit, ce qui conduit à des solutions plutôt durables et satisfaisantes. Ensuite, l'apprentissage et le développement personnel. Eh bien, la patience est un ingrédient clé dans notre parcours d'apprentissage et de développement, que ce soit pour euh, acquérir de nouvelles compétences, maîtriser un domaine spécifique ou réaliser des objectifs personnels. La patience est nécessaire, mes chers amis, pour surmonter les défis et les échecs temporaires qui peuvent se présenter. Sans patience, nous risquons de nous décourager facilement et renoncer avant d'atteindre notre plein potentiel. En somme, mes chers amis, la patience est une vertu précieuse qui nous permet de traverser les défis de la vie avec sérénité et détermination. En cultivant la patience, nous développons la persévérance, la maîtrise de soi, la tolérance. Voilà, c'est tout. À la semaine prochaine et on n'oublie pas, soyons patients. Bye bye. madala chronique senaranko gangan émission tous à la fada monarango gangan abdoukader cambiano irgin fonogoy et oui c'était là la chronique cher ami de la fada ainsi prend fin la fada de ce soir installée au lycée eh, de maradi ni cerkubayna ker kad salang zanka wandiyeza i lokol koy yongo bon tubari kala mo iddi kan neo lokol wara zankai igona ka lokol da gabi wandiyeza gona ga cewu da gabi matkan provision kidano ngai kegi kanga singino matkan ngai tuwo do un kono wono gano dir koy ba mo ngai sige de banda i compte pas relâcher vraiment ils vont aller jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au jusqu'au bout du goût jusqu'à ce que vraiment paranga imbay lokol izen be kan cewu aganda nafa bora kulse wanu an bine hino sigita joka gorandi nankai gonaga ga nankane yancin zanko ibore sami dikan haire talka tara ngure no gona gana zankai in fata lo kolera za igo zankai na imi yigandi wolomo imi dan kopta talayan woli mi dan dan kan sibori azaw salam miram chargorbani merci